fidèles auditeurs et téléspectateurs des médias partenaires du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue au Forum de la presse de ce soir, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité cette semaine. Les sujets ayant marqué l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la cérémonie d'installation vendredi du comité ad hoc chargé de réfléchir sur le décret création du Conseil national du dialogue politique CNDP et son règlement intérieur. Dans ce forum de la presse, nous nous intéresserons également au lancement le samedi 15 octobre des opérations d'enrôlement biométrique des Nigériens de l'extérieur dans le cadre de l'organisation des élections législatives partielles au Niger en début d'année 2023 pour euh, pourvoir euh, les cinq sièges de la diaspora à l'Assemblée nationale. Enfin, nous terminerons par la célébration le 15 octobre de l'édition 2022 de la Journée internationale des femmes rurales, placée cette année sous le thème L'autonomisation des femmes rurales, clé d'un Niger sans fin ni pauvreté pour euh, analyser ces différentes euh, informations. Nous avons le plaisir de recevoir euh, ce soir d'abord Elagi Suleiman Mohamedou, journaliste au journal Niger Inter, Maïmoune Gado, journaliste indépendante, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. À la modération du Forum de la presse de ce soir, je suis Michel Deji. Commençons par euh, le premier sujet. Le Premier ministre Ouhumoudou Mohamedou a présidé vendredi la cérémonie d'installation officielle du comité ad hoc chargé de réfléchir sur le décret de création du Conseil national de dialogue politique et son règlement intérieur, une cérémonie qui a vu la participation des partis politiques de la majorité de l'opposition ainsi que des non affiliés. Selon le secrétaire permanent du CNDP, Yahya Garba, interrogé par le studio Kalangou, il s'agit d'une résolution de la dernière réunion de ce conseil qui s'est tenue le 9 septembre 2022, une euh, rencontre à laquelle donc il a été recommandé que les textes organiques du CNDP soient réexaminé. En 2019, euh, il y a eu déjà un comité similaire ayant pour mission de réexaminer le décret portant création du Conseil national de dialogue politique et son règlement intérieur. Malheureusement, avant la fin des travaux, il y a un des groupes qui a suspendu sa participation avait regretté le Premier ministre, président du CNDP, Oumoudou Mohamedou, qui estime qu'il est important que sa mission, sa composition et ses attributions soient définies sans ambiguïté dans son texte fondateur qui est le décret portant création du CNDP. Ousseinissa, quels sont les enjeux de la création de ce nouveau comité ad hoc Il y a un premier comité qui avait été mis en place, comme tu viens de le rappeler. Mais malheureusement, on sait dans quelles circonstances ça a capoté et ça n'a pas pu aller jusqu'au bout, n'est-ce pas mhm. S'il faut faire la genèse de cette institution-là ou de cette structure, parce que ce n'est pas une institution en tant que telle, c'est une mhm. structure qui a été mise en place en 2004-2005, je crois, parce que moi j'ai participé. J'ai mhm. participé, j'étais parmi les journalistes qui avaient couvert l'événement. C'était une structure qu'il fallait mettre en place euh, pour euh, un peu aplanir les divergences euh, mhm. sur toute question d'intérêt national entre la classe politique. Il n'y a pas que les questions politiques, les questions sociales également peuvent être discutées au niveau d'intérêt national. D'intérêt national, oui, mhm. voilà. Mais malheureusement, chez même faisant, à partir de pratiquement 2016, on a vu ce qui s'est passé, mhm. qui a poussé, parce qu'il y a eu un débat tout récemment, et ça fait pas longtemps, alternative, qui a fait comment dire, il y a eu plusieurs participants de l'opposition, de la majorité, mais également d'un indépendant, un enseignant-chercheur. Mhm. Le problème a été posé et l'explication a été donnée. Pourquoi Parce qu'à l'époque, les gens disaient non à l'opposition. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on veut, disons, moi je dirais pas, on veut réhabiliter la structure. Mhm. C'est une bonne chose, n'est-ce pas C'est une bonne chose, mais il faut qu'on tienne compte d'un fait. C'est que c'est une structure, il faut que sa vocation initiale soit respectée. Elle a été créée pour créer les conditions, n'est-ce pas, de recherche de consensus entre la classe mhm. politique, parce qu'il y a toujours des divergences euh, par rapport à des aspects, des questions, tout ça. Quand on va retravailler les textes là, il faut que tout le monde s'en tienne à ça. Voilà comment ça doit fonctionner, voilà comment les réunions doivent fonctionner. Parce que ce qui a fait la désaffection des non-affiliés, parce que les non-affiliés étaient restés un temps, c'était juste l'opposition, mais eux aussi étaient obligés de s'en aller. Parce qu'on a fait déjà un instrument pour pouvoir voter et faire passer. Alors que le CNDP est permanent. n'a pas provocation. Pas même. On doit s'entendre, trouver le juste milieu qui arrange tout le monde. Mais pas parce que je suis majoritaire. Voilà ce qui a fait éclater le CNDP. J'espère qu'aujourd'hui ils ont vu l'intérêt, parce qu'il faut le souligner, c'est avec les partenaires, avec le soutien des partenaires, notamment le PNUD, que cette structure-là avait été mise en place. Il faut qu'on s'en tienne au texte. C'est bien de le faire pour pouvoir quand même créer les conditions d'accalmie dans le pays. Mais pour que des intérêts particuliers, que des gens disent, bon, en fonction de notre eh, poids numérique, on peut changer la donne. Moi, je dis, on va, c'est juste pendant cette période creuse-là, on arrange pour que tout le monde puisse venir et qu'on va revenir après là-dessus pour faire autre chose. Moi, je dis que si c'est ça l'objectif, autant, autant, autant, autant, autant, autant même ne pas le faire. En tout cas, il faut rappeler justement que selon le Premier ministre Oumoudou Mohamedou, le président de la République Mohamed Bazoum s'est engagé à promouvoir une euh, atmosphère saine et apaisée dans le débat public, notamment par un dialogue permanent entre les partis politiques, les médias et la société civile. Fin de citation. Mais peut-on dire ou estimer que le gouvernement bénéficie cette fois-ci de la confiance de l'opposition qui est revenue à la table euh, de discussion euh, Je joins ma voix d'abord à ce que vient de dire Ousseini par rapport justement euh, à ces textes du CNDP. Et maintenant, est-ce que le gouvernement jouit aujourd'hui de la présence euh, effective donc de l'opposition. La confiance, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le CNDP peut compter sur la confiance euh, Le CNDP peut compter sur la confiance de l'opposition si le mhm. CNDP s'en tient mhm. justement euh, à, sa fonction régalienne. Mhm. Ça veut dire que si les textes sont respectés, moi, je ne vois pas le pourquoi de l'opposition de quitter la table. C'est un consensus, travaillons ensemble voyons les divergences ensemble, essayons de trouver un terrain d'entente, non pas pour nous, mais également qui peut avancer euh, le pays. Donc si les conditions sont réunies, je ne vois pas pourquoi l'opposition et la majorité ne peuvent pas rester ensemble pour, coopérer, travailler ensemble pour l'unité de ce pays. Je ne le vois pas. Mais c'est comme l'a dit Ousseini, il faut s'en tenir au texte. Il ne s'agit pas aujourd'hui de revenir euh, faire le toilettage de ces textes et ensuite qu'un autre groupe, parce que peut-être il est, c'est, un groupe qui a plus en fait euh, de poids, euh, montre aux autres que non, c'est lui qui dirige, c'est lui qui va faire ceci, c'est lui qui a le nombre de quoi, de, de sièges, parce que c'est d'habitude c'est là-bas où il y a même un problème. C'est également le nombre de sièges au niveau du CNDP. Il y a l'opposition qui est là, il y a la majorité qui est là, mais il ne faut pas oublier aussi les non-affiliés. Donc, si les non-affiliés ont... Les non-affiliés qui ont d'ailleurs deux groupes. Oui, c'est ça en fait. Si aujourd'hui les non-affiliés n'ont pas voulu rester pour assister au toilettage de ces textes, c'est parce que peut-être qu'ils ont également d'autres choses à reprocher. Mais moi, je me dis, de toutes les manières, c'est un consensus. Ça a mm-hmm. été créé, le CNDP a été créé pour euh, taire les divergences entre mm-hmm. les politiciens, regarder ce qui ne va pas, arranger pour le bonheur de tous les Nigériens. Mm-hmm. Voilà moi ce que je peux dire et je ne vois pas le problème si aujourd'hui l'opposition ou la majorité travaillent ensemble. Merci beaucoup. Il faut donc euh, rappeler que ce comité est composé de 12 membres, 4 de l'opposition, 4 de la majorité et 4 des non affiliés à qui sont composés de deux groupes naturellement. Merci beaucoup. l'AG Suleiman Mohamedou, est-ce qu'on peut espérer que ce dialogue continue jusqu'aux prochaines échéances électorales de 2025-2026 mais pour le moment, euh, rien n'est définitif, mais euh, il y a des éléments qui permettent de dire que apparemment cette fois-ci c'est la bonne euh, mhm. Euh, on l'a dit, effectivement, il y a trois groupes euh, euh, avec quatre, la majorité a quatre représentants, tu viens de le rappeler, l'opposition quatre et le non-affilié quatre. Mais il faudrait que, en vérité, le non-affilié, c'est juste un arrangement politique fondamentalement la Constitution ne reconnaît que deux groupes, la majorité et l'opposition. C'est au niveau du euh, CNDP que le justement, justement, il y a une sorte, fait beaucoup de débats euh, d'ailleurs, une sorte tout simplement, même aux élections passées, pas une sorte, une sorte osmose. Mm Ils ont conçu justement un groupe d'un affilié. Aujourd'hui, c'est un affilié. En ce moment-là, les travaux sont reportés parce que les non-affiliés n'arrivent pas à désigner leurs représentants leur, euh, leur, représentant, leur délégué, et ils sont déjà divisés. Il faut euh, rappeler d'ailleurs que ça a été souligné par ah, euh, la majorité qui voudrait qu'on clarifie bien les choses. Ah, tout, à fait. C'est un problème quoi les non-affiliés, absolument. Et je pense que, si on veut appliquer rigoureusement le texte, les non-affiliés, on risque de leur demander de choisir soit de l'opposition, soit avec la mm. majorité. Et je pense que c'est même plus euh, clair pour le jeu politique. Mm. effectivement, on voit combien ces zones d'affilée qui font vraiment des intrigues, euh, on les utilise tantôt mm-hmm. par X. Vous voyez Donc, euh, c'est un problème réel. Mais je pense que par rapport à ta question, c'est qu'il faut, et que, en tout cas, j'ai dit, des éléments qui permettent d'apprécier. On a vu, par exemple, la première session mm-hmm. qui, donc, été était convoquée, il y a une déclaration commune sur la question de la sécurité. En vérité, le dialogue politique intéresse non seulement les acteurs politiques eux-mêmes, mais le, pays. Le pays mm-hmm a besoin, en tout cas, dans un contexte, euh, par exemple, de, d'insécurité, euh, c'est faux. que vous avez vu, par exemple, à ce moment moment, lorsqu'il n'y a pas ce cadre-là, lorsqu'il n'y a pas de dialogue, mhm. le pouvoir peut considérer que quand l'opposition fait déclaration, qu'elle fait le jeu de, de, de, terroristes. Mhm. Tout comme, effectivement, l'opposition pense qu'il y a moins de gouvernance sécuritaire et que voilà. Mais lorsqu'il y a dialogue, effectivement, chacun peut faire prévaloir son, point de vue. Et je pense qu'on peut discuter, tenir compte de, ce qui est rationnel. Mm. Donc je pense que c'est une très bonne chose euh, pour le pays. On a vu vraiment que euh, la dernière fois, euh, justement, au niveau de, de l'opposition, mm. que lorsque des partis vraiment de l'opposition le plus significatif, en tout cas, arrive à apprécier la, situation, contrairement parce que, parce que aussi la, la, réunion, donc en tout cas, il est question, qui a fait en sorte qu'on n'a pas pu s'entendre, parce que lorsque l'opposition avait quitté, euh, imaginez cette occasion perdue du dialogue, on était sur le code électoral qui était en tout cas censé être toiletté, mhm. ils étaient presque il restait que quatre articles du code électoral. Mhm. Mais comme c'était euh, religieux, les gens, euh, pardon, <laughs> à un jeu politique. Mm. Donc, euh, les gens ont considéré que ne peuvent pas continuer l'opposition à quitter. Et c'est la raison pour laquelle, justement, maintenant, euh, maintenant la majorité avait, avec le non-affilié, donc, de d'amender les textes. Maintenant, l'opposition, puisque a un nouveau départ, ils bon, euh, nous voudrons effectivement qu'on considère que on était absent lorsqu'on a abouti les statuts. Donc, il faut revoir ensemble qu'il y ait un consensus mhm. sur le règlement intérieur du CNDP, donc concentrer sur l'essentiel. Et je pense que cette fois-ci, c'est la... parce que c'est ça qui pourrait permettre de prévenir, parce que la vocation du CNDP, c'est justement euh, prévenir, le conflit et, régler, régler le conflit. Mhm. C'est-à-dire que lorsque ensemble on vient discuter, et vous voyez par exemple, chaque, normalement à la veille de chaque session euh, parlementaire, mhm. le CNDP se réunit pour que sur les questions litigieuses, qu'on puisse discuter et ça mhm. peut effectivement prévenir certaines euh, mécompréhensions qui mhm. sont à la base de, tous les conflits. Mhm. Donc je pense que c'est une très bonne chose et il faut justement dire que euh, c'est vraiment le mérite de nouveaux styles, de, en tout cas du présent actuel qui, il faut quand même le reconnaître, euh, il a fait un effort en tout cas. Ça a tardé parce qu'il y avait le contentieux électoral qui n'était pas épuisé. Donc dès son arrivée, vraiment, il a reçu les acteurs sociaux, vous avez vu la société civile, les syndicats, il a reçu tout le monde, mais il ne recevait pas les, partis politiques de l'opposition parce qu'il a, mhm. dit qu'à l'époque, ne le reconnaissait pas. Mais une fois que le conteneur était vidé, il a reçu tout le monde et on, a vu un chef de file de l'opposition aujourd'hui qui est, qui est mis en place avec un bureau, avec des, des, moyens, un budget. Tout ça, je pense que c'est de nature en tout cas espérer que euh, nous pouvons espérer que les crises comme celles qu'on a venues post-électorales. Parce que c'est quoi Lorsqu'on ne s'entend pas sur l'essentiel, on va aux élections, euh, l'opposition pour le code électoral, effectivement, on a programmé un conflit électoral, pas une élection. Vous voyez un peu ce que je veux dire ça veut dire que vous êtes optimiste. Euh, oui, on, a des raisons Il de mon Il faut préciser que le travail euh, de ce comité ad hoc va être donc soumis à la prochaine réunion du CNDP pour amendement avant adoption. Passons au deuxième sujet du forum de la presse de ce soir. Dans le cadre de l'organisation des élections législatives partielles au Niger en début d'année 2023 pour euh, pourvoir les cinq sièges de la diaspora sur les 171 à l'Assemblée nationale, la Commission électorale nationale indépendante signée a lancé l'enrôlement des Nigériens de l'extérieur euh, du pays. Les opérations ont démarré le samedi 15 octobre dans 15 pays retenus pour l'enrôlement biométrique euh, d'environ 118 000 Nigériens. Il faut rappeler que ces opérations d'enrôlement biométrique devaient se dérouler en prélude aux élections présidentielles, législatives et locales de 2020-2021, mais reportées en raison de la pandémie de COVID-19. Ousainissa, quelle analyse vous suscite le lancement officiel de ces opérations d'enrôlement biométrique de la diaspora nigérienne qui doivent durer deux semaines. D'accord, je constate d'abord qu'ils n'ont pas abandonné ce projet-là, mhm. n'est-ce pas Parce que moi, pour moi, à partir du moment où il y a une assemblée qui est déjà installée, ça fait plus d'une année. Presque deux ans. Deux ans, <laughs> n'est-ce pas mhm. Moi, je me dis, je ne vois pas l'urgence de vouloir mettre en place Je n'en vois pas. Parce que tout, simplement, n'est-ce pas, le temps est déjà épuisé. Mhm. Sous la Dernière législature de Issouf Mohamadou, n'est-ce pas On a assisté à des députés qui sont morts, les suppléants, on devait faire des organisations, et élections. On n'a pas fini avec le nom des députés, l'Assemblée là. Aujourd'hui, quel va être le statut En tout cas, en termes de mandat, quel va être un peu le mandat de ces cinq euh, députés de la diaspora. C'est-à-dire la durée. La, durée... veut dire que c'est à la Cour constitutionnelle euh, quand même de trancher. Donc quand ils seront élus, la Cour décidera s'ils doivent continuer. quand l'Assemblée qui est déjà installée va finir son mandat, eux, ils vont continuer. Non, c'est à la Cour de trancher en fait, la Cour constitutionnelle. En tout cas, c'est ce que la CENI alors, moi, je pense, mm. vraiment, mm-hmm. vraiment déjà que l'Assemblée qui est là, quand vous faites un sondage, les gens ne sont pas tellement satisfaits du travail qui est en train d'être fait. Hmm. N'est-ce pas Parce que tout ce qui passe, tout ce qui a comme loi, que ce soit, quelle que soit par ailleurs la nature, même si c'est impopulaire et tout et tout, ça passe. Alors que mandat du député, le mandat du député, c'est de défendre les intérêts hmm. des populations, n'est-ce pas Pas les défendre l'intérêt d'un gouvernement, les intérêts partisans. Mais derrière cette élection, est-ce que vous ne voyez pas une philosophie, celle de dire que la diaspora compte Oui, mais la diaspora a toujours compté. Mais mm. quand on devait faire les choses en même temps, dans la même période. Mm-hmm. Parce que même ça, c'était un faux fuyant. L'argument qu'ils avaient expliqué et donné là, c'était un faux fuyant. Mm. Nous avons des représentations dans tous ces pays-là, n'est-ce pas Et les gens parvenaient quand même, dans des circonstances précises, à pouvoir voyager, n'est-ce pas On ne l'a pas fait délibérément parce qu'on s'est dit que, bon, on va attendre jusqu'à la fin. Mais qu'on dise aujourd'hui qu'impérativement, ça va demander de l'argent. Quelle va être la plus-value quand ces cinq députés de la diaspora l'avont vont venir en termes de travail et d'efficacité au niveau de l'Assemblée C'est quoi la plus-value on doit s'attendre à une quelconque plus-value. Ça va fonctionner comme ça a fonctionné jusqu'ici. Voilà un peu la déception au niveau des Nigériens, parce que l'Assemblée, par essence, doit être un contre-pouvoir. Mm. Quand il y a des lois, des mesures, des lois, des projets de loi impopulaires, l'Assemblée va dire retoquer. Est-ce qu'il y a une seule mesure impopulaire que l'Assemblée a retoquée Alors, si on doit continuer dans la même logique où l'Assemblée considère qu'elle est au service du gouvernement, pas au service des populations, alors, c'est quoi l'enjeu Moi, je ne vois aucun enjeu à cette élection au niveau du... Aucun. On pouvait le faire parce qu'il fallait les ETC qui sont à mhm. Il fallait le faire en même temps pour qu'on ait d'emblée le nombre de députés qui, est prévu le nombre de chefs de députés qui est prévu au oui, niveau puisque la loi a prévu 160 ans. Oui, mais la loi, la, la loi, euh, on piétine ça comme on veut. Merci. Est-ce qu'on peut dire que les conditions sont à présent réunies pour un bon déroulement de ces opérations d'enrôlement biométrique dans les 15 pays énumérés par la CENI je ne peux pas dire que les conditions sont réunies ou pas. On attend de voir d'abord comment ça va se dérouler. Mhm. Puisqu'au début, c'était la pandémie oui, qui au début, c'est la pandémie qui avait empêché. Mais comme mhm. l'a dit Ousseini, on pouvait, oui, oui, on pouvait certainement trouver le mécanisme pour faire voter euh, les, Nigériens mhm. qui sont au niveau de la diaspora. Mais on ne l'a pas fait. Pour, euh, Oui, parce qu'il fallait avoir euh, d'abord la biométrie, euh, la carte des lecteurs. Est-ce qu'ici, on a, on a voté avec euh, le fichier biométrique On a tenu compte du fichier biométrique en tant que tel c'est ce qu'en tout cas, on parle même d'enrôlement biométrique. En tout cas, c'est l'expression de la CENI. mais c'est l'expression de la CENI. Mais mm-hmm. entre toi et moi, est-ce que réellement on a tenu compte de ça mm-hmm. Non. Donc, dans ce cas, comme l'a dit Ousseini, on devrait faire voter, on devrait élire mm. les euh, les, les, cinq députés de la diaspora en même temps que les autres députés. Mhm. Mais maintenant, c'est un autre coup qui vient encore peser sur le dos des citoyens nigériens, puisque mhm. c'est la contribution aussi des autres citoyens nigériens. Aujourd'hui, qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, je vois pas le, euh, je vois pas en fait la euh, plus-value, comme, l'a dit Hussein. Oui, donc ça sera encore budgétivore. Mhm. On aura une assemblée budgétivore. Mais maintenant, comment est-ce que les choses vont se passer Vous m'avez dit que c'est la Cour constitutionnelle qui va en décider s'il y aura le prolongement de ces députés-là. Parce que là, deux ans après, on vient, on fait une élection pour la diaspora. Mhm. Mais est-ce que les deux ans-là, on va les faire rattraper les deux ans Peut-être, <laughs> oui, les deux ans, mhm. est-ce qu'on va les mettre dans leurs droits aussi mais c'est ça, il y a aussi une question à se poser par rapport à ça. Mm. Aujourd'hui, les cinq qui vont venir, quel est le changement qui va avoir lieu au niveau donc, de l'Assemblée nationale Puisque nous savons, comme l'a dit Hussein, qu'il y a des lois aussi impopulaires et qui passent comme à la poste au niveau de l'Assemblée nationale. Personne ne retorque. L'opposition qui retorque, l'opposition n'a pas le poids. Donc, moi, je ne vois pas. Peut-être qu'eux aussi, ils vont venir euh, faire la même chose au niveau de l'Assemblée nationale, comme les autres députés. On vote, on prend nos perdiums, on fait ceci, et puis c'est bon. Mhm. Oui, oui, c'est encore un, un, autre fiasco, certainement, au niveau de l'Assemblée nationale, que nous allons observer. Maintenant que les choses sont, les conditions sont prises ou pas, là, il faut attendre parce que le processus vient d'être engagé. Mhm. Il faut attendre la fin donc, de ce processus voir comment est-ce que les élections vont se dérouler. Est-ce qu'il y aura une transparence au niveau de ces élections-là Mais selon vous, est-ce que la classe politique euh, dans son ensemble s'intéresse à cet enrôlement biométrique ah, la classe politique s'intéresse ou ne s'intéresse pas, ça aussi c'est une autre question qu'il faut se poser, parce que moi je ne vois pas d'engouement de ces partis politiques-là hmm. par rapport justement à l'enrôlement au niveau... Donc, Là, la euh, mobilisation, c'est à l'étranger, ça veut dire que... ça veut dire qu'ici on ne sent hmm. pas en fait. Hmm. Ici, en tout cas, moi je n'ai pas constaté un engouement euh, des partis politiques qui peut-être ils peuvent adresser des messages pour dire il faut se mobiliser, il faut aller se faire enrôler. Mhm. Et puis ça s'arrête là. Donc ça veut dire qu'eux aussi, ils n'étaient pas, en fait, ils pensaient vouloir faire les élections en même temps que les autres. Et puis bon, mais maintenant, eux aussi, ils sont en train de voir qu'est-ce que ça va changer. Mhm. Merci. Mais c'est des Nigériens quand même. Il faut leur donner la possibilité aussi de venir à l'Assemblée nationale. Quelles sont aujourd'hui les attentes euh, par rapport à ce déroulement de l'enrôlement biométrique en vue de l'élection des cinq députés de la diaspora qui viendront donc euh, compléter les 166 euh, députés pour qu'on puisse avoir le nombre prévu par la loi qui est 171 députés à l'Assemblée nationale. Quelles sont ces attentes aujourd'hui Les attentes, euh, ce que de mon point de vue, c'est une question de cohérence et de logique qui mm. voudrait que, bon, euh, puisque c'est leur droit d'être représenté, il faut le faire. justement, c'est onéreux, c'est, ça un coût. Euh, imaginez, la CENI a envoyé euh, des, missions dans tous les pays euh, où on doit absolument envoyer. C'est beaucoup d'argent. Une dizaine en Afrique. Les, frais il y a la France, la Belgique, les, les billets d'avion, les frais mm-hmm. d'hôtel, les, les, séjours, l'argent de poche, c'est beaucoup d'argent. Mm-hmm. Mais moi, contrairement à mes confrères, je pense que moi, je pense que ça pourrait apporter une valeur ajoutée. Mm. Parce que ces députés vont venir de grandes démocraties, euh, quand même. Euh, euh, même même s'ils appartiennent à des partis politiques, s'ils viennent, mm-hmm. ils peuvent essayer, en tout cas dans les débats, mm-hmm. parce que quand même, je pense quelqu'un qui, qui, est bien, qui a bien compris, en tout cas, un exemple, quelqu'un qui, qui, vient des États-Unis, le député de, de, là-bas ou bien de la France, mm-hmm. ou de l'Europe, je veux dire, s'il est bien cultivé, en tout cas, même quand il vient, il va essayer dans les débats ne pas être sous l'emprise de son, de son hmm. parti. Ça veut dire qu'il ne va mettre en avant absolument l'intérêt général. Ça peut être une, une valeur ajoutée dans le, dans débat. La façon même de, de, faire, essayer en tout cas d'élever le niveau des de, de, hmm. débats, mais aussi partager les bonnes pratiques avec les autres députés. C'est vraiment une bonne chose parce qu'ils euh, ont vécu de, bonnes expériences, en tout cas de, bonnes pratiques au niveau de, de ces pays. Euh, je pense qu'ils peuvent les partager avec, avec les autres. L'autre élément, il ne faut pas se leurrer, la politique telle qu'elle se présente, euh, euh, c'est malheureusement une majorité qui est au pouvoir et la majorité, il a, donc, au niveau de l'Assemblée la, de nationale, en tout cas, au moment des votes, tant qu'effectivement ils sont cohérents, on a vu quand même dans notre pays par le passé, effectivement, une majorité peut désavouer son, donc, son gouvernement. Mhm. On a connu cela. Donc euh, c'est un jeu politique, la démocratie libérale, euh, c'est une démocratie qui met en, avant souvent certaines valeurs qui ne riment pas forcément avec l'intérêt général. Euh, comment on, vient, devient député, qui accède au... Hein, vous voyez un peu, en fait, ce qui fait que, a priori, ne, vient, ne, peut pas devenir député qui veut. il, faut il faut de l'argent, il faut un certain nombre de, de choses qui font que véritablement, on se pose la question, est-ce que le jeu qui est fait euh, et vraiment et de nature à venir vraiment défendre l'intérêt euh, général. Euh, donc je pense qu'il faut le faire. La question, tu l'as dit, effectivement, que beaucoup de gens se posent quand ils viennent, non que trois ans, mais je pense qu'en en principe, ils viennent dans une assemblée, une législature, mhm. en principe, d'un point de vue logique, la fin de cette... C'est-à-dire que le deuxième, ils ont perdu. C'est comme s'ils soient en fonction. Donc mhm. s'ils finissent, bon, comme c'est une question de droit, la cour va, va trancher. mais je ne les vois pas en train de continuer mhm. en dehors de, de, la, la, euh, donc, euh, moi, je pense que franchement, c'est honoreux. Euh, en tout cas, selon nos informations, tout se passe bien. le cas qui est le plus où il y a eu beaucoup de bruit, je crois, aux, États-Unis, où le CONUSA, donc c'est le Conseil des Nigériens aux États-Unis, je crois, ils ont voulu faire que tout le monde vienne à New York. Les États-Unis, c'est un grand pays. Euh, donc, c'est pas possible. Si vous êtes à New York, il y aura le centre où les gens vont venir C'est raté, Vous allez excuser en tout cas les, gens. Mm. Mais apparemment, l'ambassadeur donc, a réglé ça avec la CENI. Maintenant, ils vont faire dans quatre États, donc, à savoir New York, euh, mm-hmm. Harrisburg, euh, Greensboro et à Indiana. Mm-hmm. Ce qui va permettre en tout cas au maximum de Nigériens de se faire euh, enrôler. Et je pense que maintenant, c'est réglé. le Kounsa est revenu au niveau de la CENI, donc les choses se passent normalement. Donc, en tout cas, pourquoi il n'y a pas d'augmentation de partis politiques Parce qu'il n'y a que 3 à 5 partis politiques euh, tout le temps qui ont gagné C'est fondamentalement ces, deux partis. Seulement le, PNDS qui gagne la diaspora. Donc, essentiellement, voilà pourquoi en, vérité. on peut avoir un autre parti. absolument, ce que j'ai dit, c'est fondamentalement 3-4 partis qui, investissent parce que tout simplement, ça dépasse en fait euh, la compétence et les moyens de, certains partis. C'est un peu ça la vérité. Mhm. C'est vrai, il faut rappeler qu'il y a donc 215 euh, centres repartis au niveau des 15 euh, pays où vont se dérouler donc euh, ces opérations d'enrôlement, mais également les votes des cinq députés de la diaspora. Ces 15 pays, une dizaine est en Afrique, les autres c'est la France, la Belgique, mais également les États-Unis. Terminons le forum de la presse euh, de ce soir euh, avec la célébration le 15 octobre de l'édition 2022 de la Journée internationale des femmes rurales les femmes rurales du Niger ont célébré dimanche cette journée internationale. Les festivités officielles ont eu lieu à Gangel, 6 au 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de cette journée au Niger est l'autonomisation des femmes rurales, clé d'un Niger sans fin ni pauvreté instituée par l'Organisation des Nations Unies en décembre 2017. Cette journée internationale apporte de la valeur aux femmes rurales en vue d'une meilleure participation au développement socio-économique de leur pays. Nissa, pourquoi est-il important de faire la promotion de la femme rurale D'abord, Michel, la femme rurale n'attend pas que quelqu'un fasse sa promotion. Hein. Elle fait elle-même sa promotion. Moi, je me suis amusé à causer avec D'abord, ils ne même pas qu'il y a une journée pour elle. N'est-ce pas Les organisations féminines qui s'intéressent à l'occasion de la journée du 8 mars, journée internationale, la journée de, du, 13 mai, journée nationale de la femme, je n'ai pas entendu une seule organisation féminine dire je suis en train de faire quelque chose pour ces femmes-là. En réalité, c'est juste euh, je vais dire, les femmes rurales, bon, voilà, c'est une masse qui est là. De temps en temps, on peut mobiliser les partenaires localement, un village, un machin. On a des coopératives qu'on a mis en place et on se déplace, on va. Moi, je dis, ce sont, ce sont vraiment le folklore là. Ça ne nous avance pas. Les femmes rurales, quand on dit on a fait tel investissement, tel investissement, tel investissement, le problème c'est l'accompagnement, le soutien permanent. Mais on va, on pose une action ponctuelle dans le cas d'un projet, ça finit. On abandonne. C'est comme ça qu'on peut promouvoir la femme rurale. Aujourd'hui, le visage, le visage de la pauvreté et de la faim, c'est d'abord la femme rurale dans ce pays. Et ça ne fait que s'accentuer avec les effets du changement climatique qui font que la production est mauvaise, avec l'insécurité qui a gagné des pans entiers de ce pays, n'est-ce pas les hommes sont partis, les femmes ne peuvent plus exploiter les champs. Il y en a qui descendent à Niamey. Et dans les grands centres urbains, quand vous vous réveillez aujourd'hui à Niamey, il y a beaucoup de femmes rurales qui font l'exode comme le faisaient à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est les femmes, tu vas les voir avec des enfants, des enfants en âge d'aller à l'école, en train de chercher ce qu'ils appellent, comment on appelle, ils appellent ça, contrat aller dans les maisons pour voir s'il y a des marmites à laver, s'il y a la vaisselle, s'il y a des, choses comme ça. Mais c'est la faim et la pauvreté qui fait qu'elles viennent. Avant, c'était les hommes qui vont vers l'exode. Il y en a qui vont en exode sojourner dans les centres urbains. Il y en a qui vont vers la côte. Mais de plus en plus, on les voit. Les hommes, même quand ils viennent, c'est des jeunes gens, des enfants qui font des pouces-pouces et autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait. On se ment nous-mêmes. On passe le temps à se mentir. Parce qu'on ne crée pas les conditions durables pour que les femmes puissent elles-mêmes se prendre en charge. Parce que de plus en plus, il n'y a plus grand-chose dans les villages. C'est un fait qui est là. Il n'y a plus grand chose dans les villages. Cette année, Dieu merci, et la campagne a été bonne. Certainement, ça va permettre de stabiliser beaucoup de personnes dans certaines zones. Mais quand la campagne est catastrophique, tout le monde quitte. A ah, commencé d'abord par les femmes rurales parce que d'abord le village, j'ai dit, on va améliorer le profil des parce que les, Nations Unies ont dit. Mais qui, s'est intéressé pour demander les conditions Elles ne connaissent même pas qui a Même la journée du 13 mai, ils ne connaissent pas. Même, même la journée de, de, de, 8 mars, elles ne connaissent pas. Mm. Oh, les gens captent l'argent à travers ces femmes-là. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors au CNSA pour améliorer leur On a dit qu'il y a une stratégie nationale mm. de promotion de la femme rurale. Dans le cas de sa mise en œuvre, qu'est-ce qu'on a fait Est-ce qu'on a évalué Parce que les projets ponctuels ne permettent pas de développer. Il faut mettre des programmes en place d'accompagnement, n'est-ce pas mm. Pas un accompagnement ponctuel, un projet sur un an, deux ans. Un accompagnement permanent pour pouvoir les renforcer au niveau du village. Mais même les organisations qui viennent, les grandes structures qui viennent pour aider, souvent quand les financements, les tarissent, c'est fini, ça tombe. Je ne sais pas, maintenant, est-ce que ça continue encore à tourner comme ça se faisait avant Je n'ai pas l'impression. Parce que ça a permis d'autonomiser beaucoup de femmes en milieu rural. Mais dès que le projet finit, parce que les partenaires qui sont là, l'accompagnement, normalement, l'État doit continuer à accompagner. Mais s'il n'y a pas ça, elle retombe dans la situation initiale. Voilà la situation, voilà le fait, c'est ça qui fait que on parle, mais on agit peu. Et la pauvreté gagne du terrain, et le visage de la pauvreté et de la faim, c'est la faim rurale. Hmm. C'est des jeunes dames. Hein. Vous pouvez faire le constat. Si vous regardez les matins très tôt, elles descendent. Il y a beaucoup qui vivent dans la ceinture verte là dans des habitations précaires, qui descendent avec leurs enfants pour chercher toute la journée. Elles ne viennent pas de Niamey. Il y en a qui sont dans les histoires de balayage des rues, là, qui trouvent, bon, c'est un peu relativement, du point de vue... Employé par la mairie. Employé par la mairie. Mais quels sont aujourd'hui les vrais problèmes des femmes euh, rurales au Niger les vrais problèmes euh, des femmes euh, rurales, on parle de d'autonomisation depuis 2017. Moi, je, me dis que les grands défis que nos États doivent faire ou bien que le Niger doit faire, d'abord, c'est la résilience de ces femmes-là. Mhm. Aujourd'hui, avec le changement climatique, tout est par terre. Quand je dis tout est par terre, c'est que même l'eau qui était à côté de cette femme-là, aujourd'hui, la femme n'a pas la possibilité de cette eau qui est à côté d'elle. Mhm. C'est-à-dire que le changement climatique a tout changé. Maintenant, si des femmes rurales continuent jusqu'en 2022 à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller puiser l'eau, pour aller chercher de quoi mettre sous la dent, moi je me dis qu'il y a un problème. Et aujourd'hui, moi je me dis qu'elles ont, elles ont quand même des représentants qui sont là, des représentants qui sont au niveau de l'Assemblée nationale. Des femmes comme elles, comme moi, des femmes aujourd'hui qui, si je me dis, pour un peu voir comment est-ce qu'il faut situer ce problème, c'est que nous sommes des femmes. D'abord, il y a la solidarité qui doit d'abord primer. Il n'y a pas cette solidarité. La solidarité, c'était avant. Aujourd'hui, j'ai bien dit qu'il y a l'Assemblée nationale. Il y a des femmes qui représentent les femmes rurales. Il y a des femmes qui sont dans les instances de décision, qui représentent aujourd'hui, qui sont les porte-voix de ces femmes rurales. Mais si je dis que ces femmes-là descendent dans chacune de ces femmes, descendent dans sa propre région, pour voir ce qu'il faut améliorer pour ces femmes-là, qu'est-ce qu'il faut Et il faut les écouter pour pouvoir énumérer les problèmes auxquels elles font face. Mmh. Il y a le problème d'eau, je l'ai dit. Il y a aujourd'hui le problème de moulins. Il y a des femmes qui ne connaissent pas le moulin jusqu'à aujourd'hui. Il y a des femmes, même si le village aujourd'hui a un moulin, le problème financier, économique ne leur permet pas aujourd'hui, chaque matin, d'aller au moulin avec un 100 francs ou un, un, et quelques. C'est trop difficile. Et aujourd'hui, même pas en ville. Ce qui est difficile en ville, mais il faut imaginer au village comment les choses se passent. Et j'ai dit, il faut donner la possibilité aujourd'hui aussi à ces femmes-là d'envoyer leurs filles à l'école. Leur faire comprendre que quand une fille réussit, c'est toute une communauté de femmes rurales là-bas qui peut être mise à l'abri. Mhm. Mais aujourd'hui, les partenaires qui financent, ceux qui vont vers les partenaires, ils vont avec les difficultés de ces femmes-là. Mais quand on leur donne le montant pour pouvoir faire les, les projets, mais est-ce qu'ils mettent à la disposition de ces femmes-là les projets Parce qu'on voit qu'il y a certaines femmes qui n'ont jamais bénéficié de ces projets-là. Il y a des régions où les femmes ne connaissent même pas. Par exemple, hein, euh, même à la télévision, tu peux leur montrer le visage d'une femme ministre ou bien euh, d'une femme députée, mais elles vont, elles vont vous dire qu'elles n'ont jamais vu la femme-là. Oui, mais parce qu'il y a des zones où on n'a pas accès à la télévision. Mais c'est ce que je suis en train de mm-hmm. dire. Mais il faut également faire en sorte qu'il y ait l'électricité mm. pour ces femmes-là. Oui, pour que ces femmes-là puissent coopérer. En dehors de tous ces aspects, est-ce qu'il n'y a pas des pesanteurs socio-culturels euh? J'ai jamais vu les pesanteurs socio-culturels être contre en fait le fait aujourd'hui de créer un petit projet pour la femme pour qu'elle puisse se démerder pour avoir de quoi manger. Je ne vois pas. Mhm. Donc, il faut qu'on se regarde et il faut qu'on se dise la vérité c'est seulement pendant les élections, il y a certaines femmes que c'est pendant les élections qu'elles arrivent à avoir un billet de 1000 francs. Elles peuvent faire toute une année sans voir un billet de 1000 francs. Et quand tu leur donnes un billet de 1000 francs, c'est comme si tu leur as donné un billet de 10 000. Mmh. Donc, dans ces conditions-là, quand on va vers ces femmes-là, parce qu'on veut la masse de ces femmes-là, on veut le vote de ces femmes-là, mais pourquoi après ne pas repartir vers ces femmes-là pour les écouter, demander leurs besoins, les énumérer et ensuite en décider pour faire. Mais si on doit venir dans une salle applaudir à des discours où ces femmes qui sont de l'autre côté, pendant ce temps, sont en train de se démerder à faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau, à puiser, hmm. par exemple, l'eau de, de, pluie là, qui tombe sur les goudrons. ces femmes prennent l'eau là, mais, mais écoutez, on ne peut pas avancer on ne peut pas avancer. Donc, il faut améliorer les conditions de ces femmes-là. Et pour améliorer les conditions de ces mm. femmes-là, je suis d'accord qu'on parle de scolarisation de la jeune fille. Mais il faut d'abord améliorer la condition de la petite fille et de la maman de cette petite fille d'abord, avant de parler du maintien de la jeune fille à l'école. Il y a donc euh, beaucoup d'actions à mener, à commencer par la redevabilité après les élections. Merci beaucoup. Il faut rappeler que, comme indiqué en amont, le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de cette euh, journée internationale des femmes rurales au Niger est l'autonomisation des femmes rurales, clé d'un Niger sans faim ni pauvreté. dit Suleiman Mohamedou, l'autonomisation des femmes rurales est-il synonyme d'une bonne lutte contre la faim et la pauvreté au Niger, comme indiqué dans le thème euh, choisi. Euh, justement, cette journée a été célébrée concrètement avec la journée de l'alimentation. Absolument. Mhm. Ce n'était pas par hasard parce que euh, les experts ont montré que, euh, effectivement, si les femmes euh, arrivent aussi à avoir accès à la terre, mm-hmm. donc à, produire, ça pourra significativement aussi atténuer donc, la question de l'alimentation. Mm-hmm. effectivement, cela veut dire que là, ils ont mis en évidence qu'il y a des inégalités l'accès à la terre au niveau de, effectivement la femme rurale même quand elle est dans une famille en cas d'héritage, de, d'héritage, vous voyez souvent, on pense qu'elle est chez son mari, euh, même quand elle est au village, alors qu'elle peut effectivement avoir sur le pain d'état l'exploiter comme tout le monde. Mais souvent, c'est une, injustice qui fait que bon, on, lui prive de, de, sa part. Donc, euh, c'est une inégalité, il faut quand même le déplorer, le, le reconnaître. Donc, euh, l'autonomisation, effectivement, c'est-à-dire que de façon générale, l'indépendance économique et ça se vit au quotidien. Vous allez voir dans, dans une famille, euh, plus la femme est économiquement indépendante, plus elle n'a pas beaucoup, euh, ne souffre pas beaucoup de certaines euh, contraintes du mari et, de la société. Donc, c'est dire qu'effectivement, la voie de la libération, c'est d'abord l'indépendance économique, ça c'est connu même au niveau des pays. Mmh. Plus un pays est économiquement indépendant, plus il est souverain il peut effectivement donc faire entendre sa voix. Euh, et ça, vraiment, je constate que c'est euh, dans une ambiance où il y a une pauvreté générale, euh, c'est tout à fait indiqué. Il y a beaucoup de, contraintes, mais la solution, c'est vraiment effectivement lutter contre les inégalités mhm. de tout genre, mais surtout l'école, qui est vraiment la voie de l'ascension la plus sûre. Euh, voilà pourquoi, effectivement, ce projet qui consiste à dire qu'il faut permettre aux filles, justement, euh, d'aller à l'école, euh, se former, pouvoir justement avoir une, carrière, c'est une très très bonne chose. Je suis d'accord avec Mémoire, il faut effectivement en, amont. Mhm créer les conditions justement pour que euh, la maman, euh, donc euh, toute la femme de façon en tout cas puisse s'épanouir. Donc tous ces projets, moi je pense qu'il y a des gens qui font en tout cas des projets, qui font des efforts, ou lorsque par exemple pour ces projets, ces ONG qui viennent apprendre un métier aux femmes, aux filles, et, euh, tout simplement par exemple, j'ai par exemple des projets, même dans le de seulement tout simplement esthétique, euh, quand on vient apprendre aux filles comment faire euh, le henné, des trucs comme ça, elles ont un moyen pour avoir un revenu, et ce n'est pas rien. Donc il y a effectivement, il faut dire que les ONG doivent donc surtout donc développer la stratégie de donner des revenus donc aux, femmes rurales effectivement ça qui va effectivement euh, un peu booster cette autonomisation. Euh, sinon, euh, franchement, je pense que ce qui est attendu, c'est véritablement que la femme puisse effectivement développer son potentiel comme, comme le, jeune garçon. Ici, dans notre contexte, c'est une, réalité. Le jeune garçon et n'ont pas beaucoup, n'ont pas la même chance parce que simplement, et ça, je suis d'accord avec toi, il y a des, des pesanteurs culturelles sinon qui n'a rien à voir avec la religion. Tout simplement, c'est des préjugés sociaux qui donnent à une femme une certaine vocation. Elle doit vraiment vivre cela, rien que ça, alors que normalement, elle a aussi droit à, à, s'épanouir. Le créateur a fait en sorte que euh, la femme peut peut être plus aisée quand elle est aisée dans sa, dans, sa, famille. C'est ses enfants, c'est le mari qui, qui vont s'épanouir. Donc, par conséquent, il faut donner à chacun euh, la chance de développer son potentiel, en tout cas, ça, parce que chacun a un génie. Il faut donc qu'on donne à chacun cette possibilité d'être vraiment le meilleur de lui-même. Merci beaucoup. Nous sommes au terme du forum de la presse euh, de ce vendredi 21 octobre 2022. Nous étions en compagnie de Elhaji Suleiman Mohamedou, journaliste euh, au journal Niger Inter. Maimoun Diadou, journaliste indépendante, euh, et Husseini Issa, journaliste euh, indépendant également. Merci à vous, chers confrères, d'avoir participé au Forum de la presse euh, de ce soir. À la modération de ce Forum de la presse, je suis Michel Deji. L'équipe technique est composée de Amina Hassan et Mustapha Ayouba. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Au revoir.